élèves mooy le lundi 16 lundi 16 c'est la veille non du procès du lundi 16 mooy la veille du procès dama le lundi 16 Sénégal yëpp xam ne ñun ñu ngi daje fii pour yëngal dëkk bi Sénégal yëpp xam ne ñu ngi taxaw fii pour andi fi jàmm Sénégal yëpp xam ne ñu ngi taxaw fii pour andi fi liberté la démocratie Allez

Ouais, venu bu ko ci calendrier moom dara attention Vous ñu ko calendrier de dara attention alors comme dit, c'est l'appel de la haine le mardi nous avons le verdict de le je pense qu'il n'est pas normal et il ne peut pas être question que le mardi qu'on ne ramène pas le chez lui quand les populations de, sa commune pour qu'ils puissent continuer librement à assister sa commune et au grand bénéfice de ses populations. Alors maintenant, je pense que normalement, nous allons nous concerter, parce que c'est Allez. Les Liban. Les eh, marabouts nous ont fait traîner, traîner trop de temps. <laughs> Je n'ai même pas remarqué ma soeur Sorbardini, madame le maire. Mané, est-ce que j'ai dit Mané, est-ce que j'ai dit ma Assemblée, vous voulez débarquer et tourner les de tête Mané, Mané, Mané, Mané,

kon nag ma ne ma ne de lundi à 16h ma ne de lundi à 16h ñu commencer la marche pour la liberté et la démocratie au Sénégal te du ko bàyyi tant que Sénégal lii nga xam ne lu mel muy liberté ak démocratie am en tout cas lundi simi naa sama costume sama t-shirt Barthélémy lay sol ci biir Khalifa Sall ñu dem xeex ñu libéré leen ñu gérer Sénégal